le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Calam. 18h passé de 15 minutes à Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou consacré au décryptage de l'actualité de la semaine marquée par une nouvelle attaque terroriste à Toumour dans la région de Difa, soldée par une dizaine de civils morts. Le point de presse du président de la Commission électorale nationale indépendante affirmant que la CENI est tout à fait en mesure de tenir les scrutins de 2021. L'actualité, c'est aussi l'interception en Côte d'Ivoire de deux passeurs en compagnie de 80 enfants mineurs dans deux bus en provenance du Niger. Autre fait, c'est l'ouverture des comptes bancaires ou postaux imposés aux contractuels pour percevoir leur salaire. En football, nous parlerons de la victoire du MENA, l'équipe nationale de football du Niger face à l'équipe des Swatini, ancien Swaziland. Et chez les moins de 23 ans, le Niger U23 a disposé des étalons du Burkina Faso. Pour analyser cette actualité, j'ai le plaisir de recevoir Alhaj Mahamadou Suleiman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter. Alhaj Mahamadou Suleiman, bonsoir. Bonsoir. Issa Madougou, journaliste à la radio euh, télévision à la radio à la radio télévision Ténéré. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir docteur. Nous attendons d'un moment à l'autre Garé Amadou du quotidien La Nation au microphone votre serviteur Mokhtar Hamadou. Commençons par dire un mot pour le repos de l'âme de l'artiste Malam Maman Barka, rappelé à Dieu cette semaine, à l'âge Mohamed Suleiman. Euh, on ne peut que prier pour le repos éternel de euh, son âme parce que quand même euh, Barka un grand artiste en tout cas il a marqué il a marqué des générations et des générations de, Nigériens et je pense que par son œuvre, euh, son nom est gravé en tout cas dans la mémoire des Nigériens. Qu'Allah lui fasse miséricorde et lui pardonne ses péchés nos condoléances euh, à sa famille et à tout le Niger parce que c'est un grand homme de culture nigérienne qui nous venons de perdre ainsi va la vie. Nous venons tous en sachant qu'un beau jour nous allons mourir et que nous prions Dieu pour que son âme repose en paix, que le paradis éternel euh, soit son demeure. Autre triste nouvelle, c'est le massacre cette semaine de plusieurs employés du Foraco à Toumoura. Ils ont été surpris dans leur sommeil par une bande armée. Et quelles pourraient être les conséquences euh, de ce drame sur les travaux de forage exécutés par cette équipe endeuillée euh, merci Mokhtar. Tout d'abord, nous présentons nos condoléances aux familles des disparus. vous savez, cette situation devrait, moi, à mon niveau, je pensais que des dispositions étaient prises parce que depuis, quelques, depuis ce mois de novembre, on a constaté une montée en puissance euh, de Boko Haram du côté du Nigeria. même ici au Niger, il y a des incursions qui ont été euh, dans certains, hein. certains, villages. Vous avez vu au Nigeria comment deux branches, la branche de Al-Barnawi et l'autre qui se réclame toujours proche de euh, Chekao, commencent à multiplier des attaques et des dispositions doivent être prises. Mais eh, il faut se dire que la situation, les gens pensaient que c'était réglé, mais ce n'était pas réglé aujourd'hui parce qu'il y a une confusion totale qui règne dans cette partie du Niger. Pourquoi je parle de confusion Parce que on ne sait même pas qui est Boko Haram. Qui est Boko Haram Est-ce que euh, ce, sont Des, bandits armés qui viennent faire euh, leur forfaiture ou bien c'est réellement Boko Haram Voilà la question. Et aujourd'hui, nous savons tous, on l'a dit plusieurs fois sur ce euh, plateau, que tous les bandits aujourd'hui qui viennent commettre des forfaitures sur notre territoire savent qu'il n'y a pas de poursuite, course-poursuite après des attaques en pleine nuit au Niger. Il faut que il faut changer cette stratégie. Il faut attendre euh, le petit matin pour euh, se lancer à la poursuite de ces gens. À quoi servent les drones, les, bases militaires qui sont là À quoi servent les, hélicoptères qui ont été achetés aux, frais du contribuable C'est pour les sécuriser. Donc, on ne peut pas comprendre qu'on continue aujourd'hui. Des gens continuent de tirer des gens, euh, des paisibles citoyens, sans raison, parce que c'est sans raison, puisque ces gens-là sont en train de donner la vie à une communauté. Ils sont en train de forer de l'eau. Donc tout le monde sait que l'eau, elle est vitale pour la vie d'un humain. Ces gens-là sont en train de, donner un sens à la vie de ces communautés et on vient, on les attaque. La question aussi qu'on se pose, on dit que l'escorte qui devrait la sécurité n'était pas sur place. Voilà des questions aussi qui, se avec vraiment. Il y, a, certaines sources qui disaient que l'escorte est à, à peu près un kilomètre euh, du lieu de, la mairie où, euh, se trouvaient euh, ces agents de Fouraco. Mais écoutez, Toumour, il faut se dire une chose. Pourquoi Toumour Toumour est l'une des localités de la région de Difa le plus attaquée depuis que Boko Haram sévit dans la région. Pourquoi Toumour Tout ça, des dispositions qui devront être prises. Parce qu'on ne le sait, c'est il y a des vérités qu'on ne veut pas dire. Mais ce n'est pas une fois de démoraliser un peu eh, eh, eh, les troupes. Mais c'est qu'il faut revoir le système. Parce que les gens ne peuvent pas venir attaquer et répartir comme ça librement. À l'âge euh, Mohamedou Suleiman, euh, pensez-vous que les habitants du Toumour seront impactés si Forako n'arrive pas à achever les fourrages, notamment pour abréver les animaux L'impact est évident parce que simplement euh, euh, les efforts qui sont en train d'être faits pour accompagner les populations, tant sur en tout cas les questions de base, l'eau, l'école, tout ça, vous voyez, quand il y a des actes malheureux comme ça qui traduisent d'abord la barbarie de ceux-là qui sont en train donc, euh, de commettre ces forfaitures, mais je voudrais euh, dire à l'endroit de mon jeune confrère euh, Issa, en fait, il euh, ne faut jamais perdre de vue le fait que nous sommes dans une situation de guerre asymétrique. Ces barbares-là vont cibler une localité, ils mettent tous, tout leur génie pour préparer une action pendant des mois et des mois. Et imaginez, nous, avons quand même un territoire assez vaste. Euh, on ne peut pas placer euh, euh, derrière chaque village. C'est ça ce que je voudrais dire, qu'en réalité, il y a cet aspect-là. Non, laisse-moi finir. laissez moi terminer, Donc, tant que nous perdons de vue que, en fait, que l'ennemi ici, il agit par effet de surprise. Il va toujours surprendre. Ce qui fait que même au cœur de Niamey, il peut cibler pendant un an, pendant des mois, il peut commettre ses forfaitures au cœur de la capitale. Donc, ce qui fait que il ne faut pas euh, minimiser les efforts qui sont faits par nos FDS et dire qu'il n'y a pas de poursuites, euh, je ne suis pas sûr. Il y a que effectivement, euh, même les pays les plus puissants que le nôtre sont attaqués souvent à des places vraiment stratégiques. Donc ce qui fait que dans le cadre du terrorisme, tant que nous mettons en avant cette façon de voir comme si nous sommes dans une guerre normale, on ne peut pas comprendre que ils peuvent faire vraiment des miracles euh, parce qu'ils peuvent même à, frapper au niveau de la présidence, pourquoi pas euh, Quelqu'un me dirait que non, parce que c'est... non. Justement parce qu'ils ils, attendent, en tout cas, ça, savent détenir la, vigilance des, des, des, gens. Maintenant, ce qu'il faut déplorer, justement, euh, la situation, elle, est réelle. On peut davantage apporter un peu de l'eau à, à, mon moulin. Il faut voir le Nigeria. L'armée nigériane pensez-vous que franchement, si on est face à une guerre euh, normale, comment Boko Haram peut résister à, l'armée nigérienne qui a, qui a en, termes humains et en termes de moyens, vous voyez, avec tout cela, ce pays est humilié. Et il a fallu un moment que le Niger et le Tchad, en tout cas, viennent euh, prêter, en tout cas, la, forte à ce pays. Donc, bref, euh, c'est dire que il ne faut jamais perdre de vue que 10 nous secondes rapidement, 10 euh, secondes rapidement, Issa. Ah, c'est pour dire à mon aîné que euh, je n'ai pas dit qu'il faut perdre de vue les efforts. Je sais que des efforts sont en train d'être fournis, mais c'est qu'il est malheureux de constater que, selon les informations, à quelques kilomètres, à quelques kilomètres de là, du lieu de l'attaque, sont postées des, des forces de l'ordre. Tout le monde sait que cette région, un le, moins crépitement est entendu à des milliers de kilomètres. Donc pourquoi il n'y avait pas eu cette riposte En fait, c'est des questions, c'est des interrogations que l'on doit se poser pour dire pourquoi il faut attendre le petit matin le plus souvent pour lancer les courses poursuites. Ça, vous pouvez le vérifier. J'informe nos auditeurs que Gary Amadou vient de nous rejoindre euh, dans ce studio. Gary Amadou, euh, bonsoir. Oui, bonsoir. Euh, commencez d'abord par dire un mot pour le repos de l'âme de l'artiste Malam Maman Barka, rappelé à Dieu cette semaine rapidement. Oui, effectivement, c'est quelqu'un que j'ai un peu connu. Je ne le connaissais pas très bien, mais on avait quand même de très bons rapports. Je crois que quand il était à, à l'hôpital de référence, je lui ai adressé un message, il n'avait pas répondu. Je me suis dit que sa situation était assez délicate. Vraiment, euh, repos à son âme et chapeau l'artiste, c'est quelqu'un qui compte parmi, en tout cas, les artistes nigériens, qui comptera toujours. Autre triste nouvelle, c'est le massacre cette semaine de plusieurs employés de Foraco à Toumoura. Ils ont été surpris dans leur sommet par une bande armée garée à Madou. Avez-vous euh, des précisions sur les circonstances euh, de cette autre attaque à Toumour oui, au début, au début, on parlait de, de gens qui, qui, sont venus et qui ont égorgé les travailleurs. En réalité, ce pas, ils ne les ont pas égorgés c'est les gens qui sont venus d'abord à cheval et qui ont tiré sur les travailleurs. Ils ont tué huit parmi les deux blessés grèvement. selon certaines informations, un qui est mort hier. Donc ça fait neuf. Bon, c'est vrai ce que Suleiman dit, et celui qui veut te surprendre là, il va te surprendre. Tu ne peux pas, il n'y a pas de pays qui peut être euh, infaillible par rapport au terrorisme. Il n'y en a pas, même aux États-Unis, il y a des attaques terroristes. Vous le voyez très bien. Mais maintenant, moi, cette attaque au niveau de Toumour, elle me pose beaucoup d'interrogations. Parce qu'on disait qu'il y avait des militaires au niveau de, la mairie qui ont quitté. Ils, sont, ils ont quitté, ils sont partis où Première question. Une mairie doit avoir au minimum un vigile, n'est-ce pas En tout cas, un agent de sécurité. Il était où Où est le gardien de la mairie Ça, c'est une question. Alors, ce que aussi euh, Issa dit, c'est bien vrai. Des gens qui sont venus à cheval, qui ont tué des gens, qui sont retournés, c'est vrai que la riposte a permis à ceux qu'on tue un parmi eux. C'est ça la dernière information. En fait, parmi les enseignants, un est mort, un a été tué. Mais ils sont venus. un a été par... Euh, selon. Euh, selon les agents, en tout cas, il y a quelques agents de sécurité qui ont riposté et qui ont permis à ceux qu'on tue un. Un parmi eux est mort. Les autres sont partis. Mais ils étaient à cheval. Mais à cheval, pour moi, euh, on peut très bien te. Qu'est-ce qui se passe Moi, il y a deux questions qui se posent. Pour moi, parce que vous savez qu'il y a des forces étrangères au niveau de l'IFA, il y a des Occidentaux qui, qui soi-disant, travaillent dans le cadre des renseignements. Bon, et moi je ne peux pas comprendre que des gens viennent à cheval. À cheval, hein. Euh, tu es Nutama. Et puis dans une mairie. Et retourner. Franchement, moi ce que j'ai dit, j'ai déjà dit ça beaucoup de fois. ça à dire qu'il faut que les puissances occidentales là nous aident réellement à combattre le terrorisme. J'ai comme l'impression, hein. J'ai comme l'impression que c'est une situation qui les arrange. Je le dis bien. C'est une situation qui les arrange parce que je ne peux pas comprendre, avec tout ce qu'ils ont comme moyen de renseignement, comme drone, comment se fait-il que des gens peuvent venir à cheval attaquer et retourner. Près de 4 200 000 pièces d'état civil ont été enregistrées euh, dans tout le pays à la date du 30 septembre 2018, selon le président de la Commission électorale nationale indépendante. Euh, ces chiffres sont le fruit du bilan de la première année d'activité de la Commission installée officiellement le 3 novembre 2017 dans le cadre de l'organisation des élections générales de 2020-2021 est tout à fait en mesure de tenir les scrutins de 2021, a déclaré Maître Issa Kassouna, président de la Commission électorale nationale indépendante, puisque selon lui, le fichier biométrique devrait être fin prêt le 4 février 2020. Il explique au micro de Habibou Garba. À la date du 30 septembre 2018, un effectif total de 4 158 750 un jugement déclaratif, je veux dire naissance, mariage et décès, ont été enregistrés au niveau des villages, hameaux, tribus et quartiers euh, des communes. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas un commissaire de la CENI ou un agent de la CENI qui s'assoit devant les citoyens pour leur délivrer des pièces d'état civil. Ce sont les autorités et administrations traditionnellement compétentes pour délivrer les pièces d'état civil qui le font. Le fichier biométrique devrait en principe être remis officiellement au président de la CENI le 4 février 2020 et la remise officielle le lendemain au ministère de l'Intérieur conformément à la loi. Au regard de ces dates, la CENI est tout à fait à l'aise de dire qu'elle est capable de tenir le scrutin dans les délais de la loi. Gary Amadou, l'opposition politique nigérienne n'a toujours pas occupé sa place au sein de la CENI. Quel crédit pour ce bilan mais écoutez, la, CENI, et, chapeau pour la CENI, parce que le point de presse du président de la CENI nous permet de comprendre que, effectivement, malgré tout ce que l'opposition racontait là, soit disant que oui, euh, le travail ne va pas être bien fait. On se rend compte que le travail est en train de faire. Parce que la CENI, il ne faut pas oublier, c'est une CENI permanente. Et donc, les pièces d'état civil qu'on est en train d'établir, n'est-ce pas Certains n'auront pas l'âge de voter euh, aux élections de 2021. Mais c'est toujours utile d'avoir des pièces d'état civil parce qu'elles peuvent vous servir à établir, à établir une carte d'électeur dans les, prochains, les prochaines élections après 2021. Donc, c'est vraiment tous les Nigériens qui n'ont pas d'acte de naissance ou qui n'ont pas d'acte de génétique qui sont en train d'être lutés, même les villages. Donc vraiment, c'est un travail qui est en train d'être abattu. Et j'ai dit, eh, l'opposition ne se rend pas compte, mais ce processus électoral qui est soutenu, n'est-ce pas C'est vrai que le Niger finance sur fonds propre, mais qui est soutenu par la communauté internationale, par les Nations Unies, qui sont euh, euh, prêts à apporter aussi leur contribution, ils seront les perdants. Parce que je l'ai dit déjà sur l'autre plateau, l'opposition qui ne s'y trompe pas. C'est-à-dire, elle a intérêt à siéger au sein de la CENI. Parce que pourquoi les élections de 2021 auront lieu. Et pourquoi elles auront lieu Parce qu'un président a promis de quitter le pouvoir et de remettre à un autre. Euh, euh, euh, en tout cas, de faire une passation de, témoins de la façon la plus démocratique et la plus apaisée possible. Et ça, la communauté internationale le soutient. Alors, celui qui dit qu'il ne sera pas de la partie, eh bien, tant pis pour lui. L'expérience a prouvé que la politique de la chaise vide n'est jamais payante. Issa quel impact pourrait connaître euh, le travail de la CINI avec euh, la politique de la chaise vide euh, Gary Amadou vient de le rappeler, de l'opposition nigérienne ben, Écoutez, vous savez, moi je l'ai toujours dit que cette classe politique nigérienne, je ne sais pas à quoi elle joue dans son ensemble, hein, parce que tous, parfois, ils posent des actes vraiment que je trouve que, à la limite, c'est une aberration c'est même, euh, si je peux le dire ici, se moque même de, la conscience collective. Aujourd'hui, l'établissement des pièces d'état civil, moi je ne vois rien de politique là-dedans. Permettre à quelqu'un de le situer dans le temps et l'espace, est-ce que ce n'est pas une bonne chose Pourquoi vous demandez, j'ai vu certaines euh, gens qui se disent, des personnes, des individus qui se disent des politiciens, qui demandent à leurs villageois de ne pas aller se faire arrêter. Comment vous allez interdire à une personne d'être situé dans le tel espace en ayant son acte d'état euh, civil, ses actes d'état civil, l'acte de naissance et la nationalité. Aujourd'hui, cette situation qui s'est posée à, jusqu'en Côte d'Ivoire des enfants qui ont quitté, c'est parce qu'ils n'ont pas de place d'état civil. On va, on va l'aborder. Oui. Mais tout ça, c'est une bonne euh, chose. Il ne faut pas voir déjà vos, vos calculs politiciens. Il faut voir l'intérêt parce qu'aujourd'hui, on fait la politique pourquoi Pour la communauté. Cette communauté à qui on vient mentir. Le plus souvent, donc, on ne tient même pas ses promesses. C'est pour son bien-être. D'abord, quelque chose qui va contribuer à ce que les gens puissent vivre et puissent être identifiés comme étant des Nigériens, mais pas, pas des citoyens qui, comme des électrons libres. Moi, je pense qu'il faudrait que eux tous, de tous les bords, qu'ils se retrouvent, qu'ils comprennent que c'est le Niger. S'ils font de la politique pour eux-mêmes, qu'ils s'arrêtent, qu'ils abandonnent. Mais la politique pour le Niger, pour que le Niger puisse s'épanouir. Pour ajouter une chose, ce qui, m'a vraiment euh, rassuré dans, dans ce point de presse, c'est le fichier biométrique sur lequel le président de la CENI a insisté. Donc fini le vote par témoignage et autres tripatourage donc qui, fait, sont monnaies courantes lors des scrutins. Donc on peut dire que espérer aujourd'hui qu'on peut la fraude et autres choses qui dénaturent l'aspect démocratique et le caractère transparent du, scrutin va être une réalité dans notre pays. Alhaji Mohamed Souleiman, comment voyez-vous ce processus électoral sans la représentation à la CENI de plusieurs formations politiques euh, il faut rappeler quand même que euh, l'audit de fichier électoral classique euh, n'avait d'autre euh, raison que l'insuffisance du, fichier entre autres raisons, effectivement, il y a l'état civil. On s'est rendu compte que, je crois, c'est entre 5% des Nigériens qui ont vraiment des, des, 7%, pardon. Donc, vous voyez, euh, personne ne voyait du mal à ce que, la qualité de notre procès démocratique, d'accorder effectivement aux, Nigériens des places d'état civil. Et on le sait à un certain moment, c'est l'opposition qui avait dit que le vote pour le témoignage, ne veulent pas parce qu'ils pensent qu'on va, on va les dribbler. Donc euh, maintenant, la chaise vide, ça c'est une question politique, je pense, euh, qui doit se régler politiquement. Parce que selon nos informations, euh, au niveau du comité, euh, le comité mis en place au CNDP a fait un rapport d'étape. tout ce qu'ils ont fait ensemble, ils ont rendu compte au du CNDP. Maintenant, les membres du comité du, CNDP disent qu'ils sont dessaisis désormais de la question. C'est maintenant leur patron au niveau politique, donc ils vont négocier peut-être avec le, le, Premier ministre. Donc, c'est dire que moi, je pense que les aspects techniques ce qui se passe comme euh, des audiences foraines, ça peut offusquer personne. C'est un travail technique. Maintenant, euh, sur les articles qui sont au causes, ça c'est vraiment politique. Et on pense qu'il appartient aux politiciens de s'entendre là-dessus. Maintenant, par rapport à la question de, de la tenue des élections, le président de, de la CENI a dit clairement qu'ils soit à même de rendre un fichier, le fichier, en tout cas dans les délais et quand c'est l'État qui voudrait organiser les élections, donc effectivement, comme l'a dit Gary, un président qui voudrait quitter, personne ne peut empêcher les élections. Cela veut dire que ceux qui pensent effectivement pouvoir donc boycotter ces élections, en tout cas, ils prennent vraiment un risque très très grand. Autre sujet, 80 enfants mineurs, tous de nationalité nigérienne, ont été interceptés par la douane de Noé dans le sud-est de la Côte d'Ivoire le 10 novembre 2018. Il serait conduit par deux passeurs de la même nationalité. Le coordonnateur de l'ONG École Parrainage et Action de Développement de Niger s'est dit indigné par l'inefficacité euh, de ceux chargés de la sécurité des personnes et des biens sur les frontières. Moussa Sidikou au micro de Rukayatou Abdraman. Je peux comprendre que ce soit une dizaine d'enfants qui peuvent peut-être contourner des frontières. Mais avec une masse critique de 80 personnes, il y a des jeunes filles parmi qui ont à peine peut-être 5, 6, 7 ans. Je ne pense pas que cela ne puisse pas attirer l'attention de ceux qui sont chargés de veiller sur la sécurité des biens et des personnes. Mais mon indignation, c'est surtout du fait que ce soit les douaniers qui interceptent ces bus-là, alors qu'il y a sur les frontières la police, la gendarmerie, et ce n'est que la douane de Noé qui a pu quand même faire l'identification. Ça veut dire qu'à chaque passage, il y a ce que nous appelons les dessous de table, c'est-à-dire la corruption. Mais l'autre chose, c'est que nous n'avons pas eu connaissance de l'arrestation des présumés trafiquants. Nous n'avons pas également eu vent d'une sorte de coopération transfrontalière entre les autorités nigériennes et celles de la Côte d'Ivoire. Ce qui met à nu tous les efforts qui ont été consentis dans le cadre de l'accord de coopération multilatérale en matière de lutte contre la traite des personnes. Alage Mohamedou Souleyman, comment appréciez-vous euh, cette réaction du coordonnateur des pas du Niger Bon, je pense qu'il est dans ce rôle, en tant qu'acteur de la société civile, euh, de dénoncer euh, des abus. Mais il faut le reconnaître, en Côte d'Ivoire, des jeunes Nigériens, des jeunes Burkinabés, des jeunes Maliens, pour aller travailler dans les plantations, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Donc, il va falloir justement euh, mutualiser les efforts comme ils sont en train de faire effectivement pour stopper net euh, ce, ce, truc. En amont, moi je vois plus, euh, comme on l'a toujours dit, la, la, pauvreté ambiante qui fait que les gens ont tendance, notamment ceux des jeunes ruraux qui viennent des villages, hein, les enfants au village qui ont raté leur scolarité, il n'y a rien à faire à partir de, de 12 ans, 15 ans on pense qu'il faut envoyer... Alaji Souleymane, c'est interdit par la loi la traite, la des, des, personnes Mais absolument, c'est interdit par la loi. Nous avons, notre pays a une, une, expertise à la matière. Un peu partout dans le monde, en, tout cas dans la sous-région, on appelle euh, euh, Madame de la LTP, en tout cas, pour venir donner son expertise. Madame Gaudier, tout à fait quoi. Ça, c'est vraiment une expertise nationale euh, qu'on a développée. Donc, bref, moi, de mon, de mon, point, de mon point de vue, il y a un travail euh, de fond. Il ne faut pas voir c'est comme un scoop, mais en réalité, c'est une vieille pratique qu'il va falloir véritablement solutionner avec vraiment des de, de, de moyens, Vous savez, à un moment, lorsque le président a été au, pouvoir, il avait voulu initier cette campagne d'empêcher aux gens d'aller en exode, comme ils l'ont fait lorsque vous avez été au CMS quand il était préfet à Ottawa, je me souviens. Il, voudrait en fait euh, empêcher aux gens de, de partir en exode. Mais de l'autre côté, il faut le reconnaître, il faut investir, il faut des moyens pour donner, en tout cas, de l'emploi conséquent aux gens alors que la bas ils en Côte d'Ivoire, ces, ces enfants-là, on sait, nous, on vient de, de, de, de villages, euh, on sait un peu comment les parents font beaucoup d'espoir à ces, à ces enfants qu'ils envoient. Donc il y a aussi l'aspect culturel qu'il faut combattre dans, dans, ce phénomène. Issa Madougou, Moussa Sidoukou ajoute euh, plus loin que cette problématique mais en nu tous les efforts consentis dans le cadre de l'accord de coopération multilatérale en matière de lutte contre la traite des personnes. Euh, quelle est votre lecture de la chose au sujet de cette euh, problématique Écoutez, vous savez, des efforts sont en train d'être fournis de la part des plus hautes autorités des pays de la sous-région. Rien que hier, la Halse avait tenu un atelier d'échange sur la problématique de la promotion. Un atelier sous-régional. Oui, sous-régional sur la promotion de la migration légale et, la, et les stratégies de lutte contre la corruption aux frontières c'est bien normal qu'on me dise qu'ils ont pu passer tous les autres pays. Parce que vous savez. Burkina Faso. au Niger, ça va. Au Niger, c'est qu'il y a eu peut-être que y a la vigilance qui n'était pas de mise. Mais vous savez, dès que vous traversez le, euh, territoire nigérien, arrivez sur le territoire béninois, là-bas, on ne parle même pas de presse, c'est les 500-500 seulement. On collecte les 500-500, on donne aux forces de l'ordre. Donc, c'est évident que les gens passent. Mais euh, aujourd'hui, c'est cette corruption au niveau des frontières qui fait en sorte que tous ces que les efforts de nos pays par, euh, en matière de respect des droits, par exemple la protection de la euh, des mineurs. Mais les autorités le savent. Mais les autorités le savent, mais si ceux qui sont chargés d'appliquer la loi ne font pas leur travail, qu'est-ce que l'État peut faire L'État a pris des engagements, l'État a donné des moyens, des gens sont, ont parfois même sous leur salaire des, des, des pour qu'ils puissent faire leur travail, mais ils ne le font pas. C'est ça la problématique aujourd'hui. C'est vrai, à l'âge, il a dit qu'il y a des aspects qu'il faut, mais quand on, on, euh, euh, on, baisse la garde, c'est normal que ces choses arrivent. Mais de toutes les façons, ce n'est pas. Euh, il faut pas. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller directement en accusant les, parents ou bien non. Il faut essayer de comprendre un peu le, contexte. Parce que vous savez, parfois, l'exode s'est assujetti euh, au résultat de la campagne agro-silvopastorale. Si la campagne n'a pas bien donné, vous pensez que les gens peuvent rester les ventres vides au village puisqu'il n'y a pas d'activité, autre activité. Ils n'ont pas assez de soutien. pour maintenant. Comment deux pasteurs peuvent traverser des frontières avec 80 enfants Mais c'est ce que je viens de souligner c'est qu'il y a eu de la corruption au niveau des passages euh, des postes frontaliers. Et c'est cette corruption qu'aujourd'hui, avant-hier, des pays comme le Niger, le Mali, le Bénin et le Niger se sont retrouvés à Niamey pour trouver, pour trouver des stratégies ensemble dans une synergie d'action, lutter contre cela afin que la promotion de la migration légale puisse être une réalité tout en respectant le droit des enfants et des autres personnes. Gary Amadou, l'Agence nationale pour la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants a signé plusieurs accords avec euh, divers organismes afin de lutter contre le trafic d'êtres humains. Le gouvernement a même euh, institué en 2015 une journée nationale de mobilisation contre la traite euh, des personnes célébrée chaque 28 septembre. Comment expliquer ce trafic d'enfants avec tous ces mécanismes en principe mis en route mais c'est ce que mes deux seront dit. C'est-à-dire que c'est la corruption finalement qui, qui, en qui est en train d'arrayer tous les efforts qui sont, qui sont déployés. Et c'est ce que je suis d'accord avec ce qu'il s'est dit. C'est-à-dire que euh, cette affaire-là, 80 euh, enfants, c'est pas deux enfants, c'est 80. Mais alors, c'est vrai ce que Suleiman dit, les enfants d'habitude au village, euh, ils travaillent en fait dans les champs. Vous comprenez Et donc, ce sont des gens qui ont l'habitude de travailler dans les champs. Et maintenant, vous avez bien vu que c'est pendant la, après la saison de pluie, ces enfants-là ne font rien. Que bon, c'est certainement avec l'accord des parents, on dit que bon, on va les amener au niveau de, la Côte d'Ivoire où il y a des champs de cacao, ils vont aller travailler et puis ils vont avoir de l'argent. C'est avec l'accord des parents que cela s'est fait. Mais maintenant, comme le Niger a signé des conventions, je suis d'accord avec tout ce que Sidiko a dit parce que eh, Sidiko soulève eh, beaucoup de problématiques. C'est-à-dire que des enfants qui ne sont pas censés et, d'abord travailler, qui sont censés être dans des circuits scolaires, etc., etc., etc., sont transportés dans un autre pays pour partir travailler dans des champs. Ils sont, comment est-ce qu'ils ont pu passer toutes ces barrières-là ça veut dire que nos pays ont failli à protéger ces enfants-là pour qu'ils ne quittent pas. Et c'est ce, la Côte d'Ivoire à qui il faut rendre hommage, ce sont les portes de sécurité de la Côte d'Ivoire qui ont intercepté. La douane, la douane ivoirienne. La douane ivoirienne qui a intercepté. Même pas la police et la gendarmerie. Mais, mais c'est là où je dis que moi, je, leur tire le, chapeau. Ils ont rempli leur contrat, ils ont intercepté ces enfants-là et puis ils les ont ramenés. Mais la question, mais avant que ces enfants-là soient, combien sont passés oui, parce que c'est. Non, mais c'est pas là. Oui, c'est maintenant. Ah oui. Non, mais, <laughs> ne, faisons pas le, le, Ne faisons pas comme si. Oui, c'est la. Non, c'est-à-dire qu'avant ça, il y a des enfants qui ont pu passer, qui sont dans des plantations au niveau de la Côte d'Ivoire, qui sont en train de travailler dans les champs. Ce que Solomon dit est vrai. Et donc, maintenant, Franchement, ce qu'il faut euh, euh, interpeller les, les, forces de sécurité au niveau des frontières pour qu'un phénomène comme ça ne puisse plus se dérouler. Sur tout un autre plan, le ministère des Finances somme les agents de la fonction publique qui sont jusqu'ici payés au biétage d'ouvrir des comptes bancaires ou à la poste avant le 10 décembre prochain en vue de domiciler leur salaire. Cette mesure est jugée contraignante par certaines centrales syndicales. Gary Amadou, Pensez-vous que cette obligation dans une société où l'utilisation des comptes bancaires reste très timide, chacun voulant de l'argent frais entre les mains Mais même au niveau des banques, vous pouvez partir prélever de l'argent. C'est-à-dire que c'est juste un mécanisme pour permettre à d'abord de sécuriser les, les, fonds. C'est-à-dire que le virement est fait au niveau de des banques. Maintenant, vous partez au niveau de la banque, vous prenez votre argent. Maintenant, l'avantage, c'est que quand vous ouvrez un compte au niveau d'une banque, c'est que la banque peut vous avancer l'argent avant même que le salaire arrive. La banque peut vous prêter de l'argent. Donc, il y a beaucoup d'avantages dedans. Mais maintenant, c'est vrai, les centrales syndicales disent que, ah non, euh, euh, le code du travail, et, il y a une violation de certains principes du Code du travail, maintenant il faudrait que les autorités et les syndicats puissent s'asseoir et discuter pour voir dans quelle mesure peut-être il faudrait repousser cette date du 10 décembre. Parce que c'est vrai, c'est compliqué et pour certains qui sont peut-être dans des villages de venir ouvrir des comptes. Comment est-ce que cela va se passer Il y a des villages qui n'ont pas de banque. Comment est-ce que ceux qui sont. Parce que d'habitude, les payeurs prennent de l'argent ils vont au niveau des, des, localités pour pouvoir désintéresser les gens. Comment est-ce que cela va se passer C'est toutes ces toutes les banques ou la poste Ou la poste. Bon, c'est toutes ces problématiques qu'il faut prendre en compte. Je pense que l'État doit pouvoir, dans un premier temps, repousser cette date-là pour la mener peut-être au 10 janvier. Maintenant, ceux qui ont déjà fait, c'est bien. Et maintenant, voir comment, dans, quelle modalité, ceux qui sont dans des contrées localisées, pouvoir, sans qu'il n'y ait un compte en banque, pouvoir avoir un processus, même si avec Niger Post, pour pouvoir les payer. Amener, voilà. Isamadougou, avez-vous des informations qui indiquent que euh, des mesures sont prises pour euh, permettre à chaque agent de toucher son salaire à terme échu moi, je pense que d'abord, l'initiative, il ne faut pas voir le mal un peu partout quand il y a des décisions. Il faut d'abord prendre la décision et l'analyser. Je pense qu'il y a deux choses qu'on peut faire dans ce cas précis. D'abord, on dit qu'il faut sécuriser l'employé. Parce que vous savez, parfois, les payeurs, quand ils vont en campagne pour payer, vous avez vu le zèle qu'ils font les gens, si viennent, le gars, il va venir, il commence à payer, après il se retrouve dans le bistrot en train de boire, les gens sont en train de, l'attendre. Il y a combien de payeurs zélés Des pères de famille l'attendent, mais il faut qu'il montre qu'il est le puissant. Mais vous êtes obligé de, regarder vous n'avez aucune marge, euh, Ça permet aussi de maîtriser la masse salariale. Effectivement. Maintenant, il faut que l'État aussi aide, par exemple, une société comme Niger Post à s'implanter dans le dessin aussi mm-hmm. commune du Niger. Cela peut faciliter parce qu'on sait que la bancarisation, proprement dit avec les banques classiques, ne peut pas être vraiment euh, euh, la solution pour cela, pour juguler le problème. Donc faisons en sorte que pour renforcer la poste, pour que Niger Post puisse être vraiment présent. Maintenant, il y a aussi ce délai. Moi, je pense que faut, c'est un peu court. Ensemble, travailleurs, les représentants des travailleurs. Le décembre, c'est c'est le non, il faut il faut aller même peut-être voir parce que c'est le déplacement, parce que c'est pas facile, par exemple, pour un enseignant qui se trouve peut-être dans le nord d'accord, dans la zone de Belbégie, de laisser ses élèves. Déjà, il fait des efforts d'abord pour retenir les enfants dans les classes. S'il quitte maintenant pour venir dans le chef-lieu de la commune pour faire ce papier, mais ça va pas, les enfants vont retourner LG Mahmoud Souleymane, les pécules de l'ensemble des agents contractuels de l'État seront domicilés à Niger Post. Pensez-vous que euh, les agents en zone nomade ou dans les régions en insécurité pourront percevoir leur argent à temps euh, Ce que je sais, euh, le Niger Post, en tout cas, a conçu véritablement, il est en train de se moderniser. C'est une question de mettre les moyens qu'il faut. Euh, ils peuvent même, euh, en, plus, en dehors du salaire, euh, en tout cas, partout au Niger, vous rendre en tout cas des services ou des colis, tout cela en temps réel. Donc, c'est vraiment une question d'organisation. Je pense qu'il faut donner du temps aux, enseignants pour vraiment ouvrir leur compte, ne pas brusquer les choses, respecter quand même un certain nombre de, réalités. Euh, mais je pense que toute, réforme, elle est difficile. Mais la raison de la réforme, c'est que même dans la sous-région, en termes de bancalisation, notre pays, on est à 6%. même dans la sous-région, c'est 16% la, Donc, en réalité, il y a ces réformes où le pays doit quand même avancer. Il y a aussi, lorsque les gens ont des meurtres dans les banques, la question de sécurité, même des détournements. Souvent, il y a combien de, payeurs qui prennent des ou bien ils déposent dans les banques pour avoir des, intérêts. Tu fais, la tu déposes de, l'argent pendant deux trois jours, tu, tu, vois quoi. Donc, ce qu'il faut que, arrêter, c'est pour la sécurité à long terme de, euh, de ces enseignants, mais il faut vraiment leur permettre véritablement de le faire dans les, euh, vraiment de manière un peu bienveillante Quoi. Euh, tout à fait. Jusqu'à 2019, ça peut le permettre de vraiment de se préparer et d'être vraiment. Et aussi Niger Post, l'État vraiment devrait accompagner parce que les banques là, tout le monde sait que les banques ne peuvent pas aller se, euh, ouvrir une agence, par exemple à, à donc il faut permettre à Niger Post aujourd'hui de, couvrir, ou même si les sens sont aussi communes du Niger, ça peut régler dans un premier temps la, situation. Terminons par du football. Débutant 1 en faveur du Niger, c'est le score du match qui a opposé le MENA national, l'équipe de football à celle d'Eswani, ancien Swaziland, dimanche dans ce pays en match retour comptant dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Et pour euh, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Égypte 2019, des moins de 23 ans, le MENA du Niger a battu les étalons du Burkina Faso par 3 buts à 1 en match retour joué mardi à Niamey. Au match aller, les deux équipes euh, s'étaient séparées par un score nul, un but partout à Ouagadougou. Isamadougou. Peut-on dire que le Niger revient de loin Comment analysez-vous euh, ces victoires moi, je pense que malgré les difficultés, ce qu'on a dit, quand même, euh, <laughs> l'appel a été attendu. Parce que euh, pour le cas des seniors, pour le qualificatif de la CAN 2019 au Cameroun, vous avez vu, c'est une première victoire depuis plusieurs mm. oui. oui, euh, oui. Dans le cadre des préparatifs et des, qualificatifs, quand même, c'est la première fois que le Niger gagne à l'extérieur. Et cette place, même si on n'est pas qualifié, j'ai demandé aux spécialistes qui quelle implication peut avoir et certains m'ont expliqué que le fait que le Niger soit troisième. Et si on arrive encore à augmenter sur les. Oui, oui, voilà, les euh, quatre points sur les quatre points, avoir encore d'autres points dans le classement FIFA, le Niger va être bien positionné. Donc, je crois que c'est une bonne chose. Et aussi, chez les jeunes, on a vu aujourd'hui, peut-être que les gens ont pris vraiment euh, le problème, euh, l'analyser pour pouvoir l'analyser, laisser les entraîneurs, les coachs avoir la responsabilité de leur équipe, avoir euh, cette notion euh, de, de, revenir avec une victoire aujourd'hui. Moi, je pense que euh, c'est Soumaël Chemogo, je crois bien, qui est à la tête des, des, des juniors. De U23. je pense qu'il est à féliciter maintenant. Ce qu'on a vu la dernière fois, le président de la République donner des fermes instructions à ce que ces sportifs soient mis dans les conditions. Il fallait encore qu'un parlementaire interpelle le, ministre pour lui en demander où en est-on avec par rapport à cette situation. Voilà des, que, des, situations pareilles qu'il faut éviter dans l'avenir. Gary Amadou, pour vous, comment expliquer ce réveil soudain euh, du football <laughs> nigérien Oui, mais ça veut dire que ceux qui avaient fait du bruit là, ceux qui avaient dit que non, ils mangeaient que du haricot, ils avaient... non, mais ils avaient raison. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a bougé. Les, lignes ont bougé. Ça veut dire qu'il y, y, a des efforts qui sont en train d'être faits. Et la prise en charge des joueurs s'améliore. Quand les joueurs sont dans des conditions, bonnes conditions, hein. mais ils jouent bien. Quand tu as l'esprit tranquille, tu joues bien. Et ça prouve qu'on peut gagner. Je vous avais dit, dans toute cette affaire-là, moi, j'accusais la Finifoot. J'ai dit que non, euh, si le football ne marche pas, c'est parce que la FiniFoot est nulle. La foot est en train de se ressaisir. Apparemment, on, a l'impression que les joueurs ont du plaisir à jouer. Et c'est ce qui fait que, pour la première fois, depuis plus de combien, 20 années ou 20 combien d'années, on a pu gagner Il y a des gens qui parlent de 25 ans. De 25 ans. C'est vrai, le Swaziland, ce n'est pas le Brésil, ce n'est pas, pas l'Égypte, n'est-ce pas Mais c'est un petit pays. Mais quand même, c'est une victoire qui est extrêmement importante. Ça veut dire qu'il y a un renouveau qui est en train de. Maintenant, il s'agit de capitaliser. Il s'agit de faire en sorte que les joueurs des équipes de l'équipe nationale, qu'ils soient au niveau de moins de 23 ans, etc., jusqu'au senior, qu'ils soient dans de bonnes conditions. Je vous assure que quand vous avez l'esprit tranquille, quand vous avez une prise en charge acceptable, je vous assure que vous allez très bien jouer. Il faut qu'on continue. Il faut que la Foot continue. Il ne faut pas relâcher, n'est-ce pas Moi, je ne dis pas que demain, le Milan ne peut pas être battu, mais déjà ça, c'est un motif de satisfaction et c'est un réconfort pour les supporters. À mettre à l'actif hein? Mais à mettre à l'actif des joueurs qui ont fait du bruit. Ah non, non, moi je ne peux pas jeter des fleurs. Non, non, je dis ceux qui ont fait du bruit ont eu raison de faire du bruit. Mais ceux qui ont le mouillé on les a insultés, mais c'est eux qui ont fait en sorte que, il y a vraiment cette fois-ci, les gens savent qu'on est en train de les surveiller et les joueurs sont de mieux en mieux traités. Alage Mohamed Souleymane, quelles sont les stratégies pour euh, redonner espoir aux fans du ballon rond nigérien Les stratégies, moi je me fie euh, au conseil de notre reporter sportif Yannick Souanketa qui dit malgré la victoire, il dit sur le plan technique, euh, il y a beaucoup à faire. Et je pense qu'il suit vraiment le sport, il sait de quoi il parle il dit vraiment, côté technique, nos joueurs n'étaient pas à la hauteur. Donc, il va falloir que maintenant les encadreurs, en tout cas, puissent tenir compte, travailler aussi tous les aspects. Parce que euh, le feu de paille, on a l'habitude de le faire. Euh, on va à des grandes euh, rencontres. Mais dès le début, on nous élimine et c'est une véritable gêne, <laughs> une, honte nationale. Bref, donc je pense qu'il y a tous ces aspects. Et maintenant, le, maintenant, politique, effectivement, doit conséquemment appuyer, appuyer effectivement, euh, il faut débloquer les, gros moyens. Et on pense que l'arrivée de notre confrère euh, Slimane comme SG de la, de la pourrait faire euh, inverser la tendance, en tout cas, de ce bon vent dans ce milieu. Effectivement, et Slimane Mohamed vient d'être désigné secrétaire général de la FENIFOOT. Oui, mais c'est très bien. Vous vous rappelez, il y avait un débat qu'on avait fait ici. Je vous avais dit que si on veut que le football nigérien marche, il faut faire, il faut balayer au niveau de la FENIFOOT. Je vous avais dit que la FENIFOOT était extrêmement nulle, incompétente. Il y a des gens qu'il faut changer. Il y a des gens qui, depuis 30 ans, ils sont au niveau de cette c'est Surtout, il y a beaucoup, il y a beaucoup qui sont venus pour s'enrichir. Mais ils foutent rien du tout. Ils sont vieux et ils sont là. Il faut les... Non, mais non, il faut dire les choses. <laughs> il faut qu'on arrête de, de, de, de, faire semblant que non, ces gens-là, il faut les remplacer. Il y a des amoureux du football. Slimane, c'est un connaisseur de la chose. Je pense que son arrivée va, va permettre d'apporter des, changements. Mais ce n'est pas lui seul. Il y a beaucoup de gens qu'on devrait tout simplement en douce remercier. <laughs> et, non, mais euh, amener de nouvelles têtes. Je vous assure. Vous êtes en train de rire, mais le football nigérien, là, il y a des gens, si on ne fait pas un toilettage au niveau de la foot, je vous assure qu'on aura toujours les mêmes problèmes. Issa Madougou, un mot par rapport à la désignation de Souleymane au ah poste de secrétaire euh, Je crois bien que c'est ce que Gary dit. Il faut des gens qui ont vraiment l'amour pour la chose qui, ont, qui viennent avec des idées nouvelles, qui peuvent changer les choses, mais on ne peut pas garder des vieux loups qui n'ont rien apporté, qui se retrouvent chaque jour sur... C'est eux-mêmes qui font en sorte que le football régresse, mais qui se retrouvent sur les plateaux des télévisions et des radios pour dire que non, les joueurs-là, ce sont des impolis. Mais comment ils sont devenus impolis L'enfant, quand il a quitté chez lui, il a reçu une éducation. S'il devient impoli entre le stade et la fini foot, c'est que... Oui, oui, oui, Effectivement, c'est que vous qui les qualifié d'impoli vous avez créé des, euh, les conditions pour que ce soit ainsi. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que, euh, comme l'a dit Gary, les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, arrêtons de se faire la guerre, mais faisons les choses pour que le Niger puisse sortir la tête de l'eau, que notre drapeau puisse être hissé en haut lors des compétitions. Voilà nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Garé Amadou du quotidien La Nation, Elhaj Mohamedou Souleyman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter, et Issa Madougou, journaliste à la radio-télévision Ténéré. Merci aussi à tous les auditeurs pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h15 avec Maman Ada pour le forum à et Balkis Hamidou pour le forum en Zarma sur l'indice du développement humain. Merci, au revoir.